la famille de di et quand on ose me dire qu'on a mis 700 milliards qui lit soyons sérieux mais monsieur le ministre si toutefois euh, annoncé ngeen ko euh, mu avéré wu qu'on a vraiment maquillé les chiffres mhm. la responsabilité euh, des fonctionnaires de l'administration rawatina ministère euh, bu yor wàllum finance bi ñoom ful la ñu parce que mënuñoo maquillé les chiffres nous ñoom ma ci même sax euh, ki nga xam ne fi nekk ministre des finances aussi à l'époque à mon bu am solo bu mu régime bi même sax ki nga xam ne secrétaire général du gouvernement à l'époque il travaillait euh, il était le directeur national de euh, la banque centrale euh, monsieur le ministre nous avons responsabilité une par rapport à ça. ministre ministre des finances son rôle c'était quoi. Hmm. Son rôle, c'était quoi c'est moi qui pose les questions. Ah non, si tu dis... mais il faut donner, qui, il faut donner la bonne... Non, man, de dama bëgg, dama Non, poste Parce que il faut dire aux Sénégalais. Oui, mais la, la, question, elle est incomplète. Non, elle est complète. Tu Vous avez parlé de maquillage de chiffres si vous parlez de maquillage de chiffres, de fait, comme aussi. J'ai bien compris la question. Voilà, donc répondez. Mais il y a une information qui est manquante. Allez-y, donc il faut dire que. Oui, mais je pensais que vous le saviez, c'est pour ça. <laughs> Cher Diba, directeur programmation. Directeur de la programmation, comme sa télévision, bi. Hmm am ko nga xam ne yow bo sa grille bo momé sa télé def sa grille def say montages commerciaux dem def développement des affaires dem bané bon li la bëgg. Mhm. li sama programme. am agent son rôle c'est de faire la programmation. programmation lan la am ci responsabilité pouvoir décisionnel. mais programmation aussi euh, euh, monsieur le ministre. ça veut tout dire aussi. Euh, sànq yow vous a bëgg journal émission bu <laughs> allez-y je t'ai dit. allez-y programmation budgétaire mooy ki nga xamante ne nii moom doxal programme mhm. mais justement qu'est-ce qu'on dit on dit qu'il y a eu des opérations. qui mhm. n'ont pas été reportées. yu nga xam ne comptabilisé wu mhm. mais lui il est dans le budget il fait de la programmation budgétaire li ñuy wax ni mooy justement amène des enveloppes d'endettement ça a été fait. Mm. mais qu'est-ce reporté wu ko. Mom, mm. il est dañuy voter budget il gère la programmation. si diggante bi entre le budget et ce que les gens font dans leur ministère dans les comptes du trésor et qu'ils ne disent pas comment voulez-vous que celui qui est dans une logique de programmation et d'exécution d'un programme soit au courant bu ci defoon dara parce que moom kon moom exécute exécuter lu nga programme bi que la reprocher exécuter ci règle de programmation bi mm-hmm. comme ni le premier ministre si quelqu'un a une responsabilité, cette personne fera face à ses responsabilités. Aminou n'est qu'au au niveau de de de. Mhm. Euh, la banque centrale Sans que nous la ko côté ay ci samay kàddu. Mm. l'État état central avec tous ses démembrements nous avons a une information complète man Moussa Balla Fofana. la mhm. capacité d'analyse de l'État financier yi a eu ba tension de trésorerie am na. Mm. demoon naa ba nous ne mais mënuma won am chiffre 83 bi. nañ def nañ des émissions pendant des années j'ai toujours tenu le même discours tension trésorerie offre spontanée c'est pas normal. Mhm. liñu lever ci fait, ak ni mu il y a un problème yàgg wax. Mais est-ce que je t'avais sorti le chiffre de, le chiffre de 83% Non. Est-ce que j'avais calculé que le déficit c'était 10% mm. Est-ce que je savais qu'il y avait un surfinancement de 605 milliards qui ont été utilisés lolu un professionnel comme Aminou qui a été mën def même analyse bi kaman mais munuta am capacité dem def la vérification bi mal la wax mm. permettre la nga am une information sûre et certaine avec tous les recoupements parce que tu as accès à tous les comptes de l'État. Mm-hmm. lolu kudul état munuko motax mm-hmm. état bu djubé ñep djub bu dëngee ñep dëng Macky Sall nag yàgg ko wax. Mm-hmm. ku dëng sa kër on a accusé directement euh, ministre bu fi nekkoon ministre finance euh, monsieur Ba ak euh, même sax Amadou Ba ak kii nga xam ne nekk Abdoulaye Daouda Diallo. Mhm. sa page Facebook j'ai vu que Amna na benn ñu koy waxee sax marché bi nga xam ne yaa ngi koy fësal que kii di Amadou Ba à l'époque joxe woon na ko nga jàpp ne aussi marché gré à gré mu mel comme da nga dëggal li nga xam ne nekk ces accusations yi nga xam ne woote euh, woon na si les tables en fait li ma andi sama page Facebook. moy justement offre spontanée bi. voilà ni ko tëggee. la ne ko gis nga li nga dugal ci loi bi. Mhm. c'est un détournement procédure appel d'offre. li mhm. musiba la te di ngène créer de sérieux problèmes. Mhm. lolou le premier ministre wax la dernière fois. te ñom ñoko ci dugal dawal quelques mois quelques mois d'indico. donc lolou la doon point du bama koy wax bobu boobu euh, pour vous dire rapport bi. Euh, fësaluñ ko. Mhm. mais c'est ce qu'on leur dit moi tax là un professionnel dina gis des incohérences gis ne lii baaxul. Mhm. mais mun munut bu bu honnêté liguey bo liggéey boo ne tant que taxaw wax. Mhm. mais liguey bobu nak buñu ñu quand même les meilleurs du Sénégal ñi nga xam ño nek l'inspection générale des finances. Mm. ñu dem def saytu bu taxaw seuk avec tout li ne ci Sénégal ci ay borom xam-xam. ñu mm. calculer ratio yi tek lolu mom moom yaakaar naa duñ kenn du ci mëna a dellu kenn ci mëna euh, delu euh, ginnaw euh, monsieur le ministre déclaration yi nga xamné wala sax vérité yi nga xamné ne keroog gis neen mu ci si boobule conférence de presse amul sans conséquence après gis neen li nga xamné tofatal na ci surtout par rapport ak même sax boursier ak même eurobond gis neen ñu ñu am façon bi nga xamné réagir neen ko lan moy nek la suite après ces déclarations yi nga xamné